voilà, on a joué un match équilibré euh, à un moment donné, mais euh, on peut s'en vouloir parce que on a eu, euh, on a eu plus d'occasions que l'équipe adverse. deuxième mi-temps on a raté deux, deux, deux occasions on devait les transformer par début. Donc on peut s'en vouloir. C'est un match bo xam match nul bo xamné mais enseignement est liñ ci que bon si zone de finition si les gens à chaque fois pour finir euh, euh, euh, ça se voit que les attaquants ne sont pas lucides ils ne jouent pas avec leur tête donc bon voilà mon enseignement est là parce qu'on a eu deux occasions nettes avec un peu de lucidité on aurait pu marquer deux buts en deuxième mi-temps en premier mi-temps on a joué un match héroïque bon donc voilà un match très sérieux il fallait bon les deux les deux équipes nous de connaître essayer découvrir ce donc bon voilà, nous on a joué un match sérieux, nous avons 0-0. En deuxième mi-temps, on a su rectifier. On, a remonté sur le bloc d'un cran. Donc fait une zone. Alors dominé sur l'ensemble de, la deuxième mi-temps, vraiment. On a dominé et on a eu des occasions. Nous, nous, euh, par rapport à à du championnat nous voilà nous dañuy préparer parce que bon voilà c'est notre premier match donc on va jouer notre deuxième match quand mais on va retourner se préparer il faut se préparer encore parce que euh, en temps toujours en temps bi dafay dafay difficile donc c'est un bon résultat on peut le dire donc bon ñu préparer notre deuxième match donc match bi joué nous nous servir nous rebondir donc nous bonifier par rapport à ce match là voilà pour nous pour pour peut-être le prochain match nous gagné ko. un objectif vraiment c'était positif ñi ay kada lañ ren lañ monté lan mo nek suñu objectif moy di la préparer parce que ñom ñoo bo gisee fi ñi ñëpp ci même koñ lañ dëkk y a aucun mercenaire c'est pour vous dire qu'il y a un travail bayal la nag bo xamné dafa yaatu dañ ci nek di def pas à pas wa c'est un match correct pour ces enfants c'est un match correct waaw loolu li match la daal ci ma si jàngat mooy am engagement amna détermination mais ce qui manquait c'est le petit plus moy lan lucidité C'est ce qui est waaw. waaw war préparer euh, suñu match yu nekk waaw préparer on travaille long terme Nous travail long terme là. de ñu ren ren rek Nous par force dañu ki déedéet dinañ nous ren wane nous sommes muy nous di nga équipe. moo ku football ak de football, s'entraînent durement ils sont polis. am nañ engagement am nañ détermination am nañ humilité te tamit gis naa ñoom humilité ba ak solidarité.